Ce don est composé de produits de première, de première nécessité pour le malade et de premiers soins. Donc, pour pouvoir vraiment stabiliser le malade quand il vient en état de détresse au niveau du CNRD pour une hospitalisation. Au total, est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de malades Oui, donc il est destiné pour servir 250 malades. Comment se présente la maladie euh, au Niger Donc, euh, au Niger, euh, donc c'est une personne sur cinq euh, est porteur de cette maladie. Donc euh, c'est à peu près 25% de la population qui porte cette maladie. C'est pourquoi nous, en tant qu'association, nous sommes en train d'œuvrer pour pouvoir vraiment sensibiliser la, population pour que euh, pour que les, qu'il n'y ait pas de mariage consanguin, pour que le nombre de malades soit atténué. Donc nous notre rôle est vraiment de faire une sensibilisation auprès du public, des jeunes et des parents pour que les malades, les malades ne se marient pas entre eux. Les SS, les AC, les AS ne se marient pas entre eux. Pour qu'il y ait mariage, il faut qu'un SS se marie avec un AA qui n'est pas porteur. Il faut qu'un SC se marie avec un AA qui n'est pas porteur. Un AS doit se marier avec un AA. Voilà notre, euh, notre mot de sensibilisation à l'endroit des parents et des jeunes. Alors l'année dernière, vous parliez de 25% de cette population, de la population nigérienne qui serait atteinte euh, de, de la drépanocytose. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ce chiffre a évolué on ne peut pas dire que ce chiffre a évolué parce que si on donne le, le, chiffre de 25%, c'est à partir des statistiques. Donc il faut une étude. Et depuis lors, il n'y a pas eu d'autres statistiques, il n'y a pas eu d'autres études. Donc on s'en tient toujours à ces chiffres-là. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a une alimentation particulière dont peut bénéficier la personne atteinte de drépanocytose L'alimentation particulière, c'est comme pour chez tous les enfants, chez tous les malades, il faut que l'alimentation soit équilibrée. Mais ce qui est spécial chez les drépanocytaires, il faut qu'ils consomment beaucoup d'eau. Il faut qu'ils consomment beaucoup d'eau et qu'ils évitent de s'exposer à la chaleur. Ça, c'est important. C'est la consommation d'eau qui serait au-dessus des, des autres enfants de leur âge. Alors, pourquoi la consommation d'eau parce que quand le drépanocytaire, même s'il n'est pas en crise, c'est les hématies qu'on appelle les globules rouges, ils se déforment. Et quand ils sont déformés, et donc ils transportent euh, peu d'oxygène. Et cette déformation, quand le malade prend beaucoup d'eau, ça aide le globule rouge falciformé qui a la forme d'une banane de se reconstituer facilement parce que sinon il va se déshydrater. Plus le malade se déshydrate, plus le globules rouge se déshydrate. et vous allez voir euh, le malade a une coloration jaune au niveau des yeux. Donc le globule rouge qui s'est cassé, il euh, déverse une substance dans le sang et c'est ça qui colore les yeux en jaune. Alors, est-ce qu'on peut dire que ces personnes, ces mêmes personnes atteintes de trépanocytose, doivent bénéficier euh, d'un type de style vestimentaire oui, le style vestimentaire qu'ils doivent, euh, dont ils doivent s'adapter, c'est avoir des habits amples. Oui, le drépanocytaire ne doit pas mettre des habits qui le trop serrés, parce que déjà le sang, la circulation sanguine, elle est mal vasculaire, elle est mal faite, et s'il prend des habits étriqués, serrés, ça, ça accentue ou bien ça peut même provoquer la crise. Oui, oui. Donc, il faut qu'ils mettent des habits amples. Il faut qu'ils se mettent aussi dans un endroit aéré où il y a l'air qui circule. Parce que déjà, ces globules rouges qui sont falciformés transportent euh, la moitié d'oxygène qu'il faut. Et s'il se trouve dans un endroit confiné, donc le, volume d'oxygène lui est, euh, très, euh, lui ne lui suffit pas. Donc ça provoque automatiquement la crise. quelle serait la situation de ces personnes si jamais elles sont atteintes d'anémie donc, euh, si la personne est atteinte d'anémie, la première des choses, c'est de, avant de venir au centre, c'est de consommer de l'eau. La première des choses, dès à la maison il faut qu'elle commence à consommer de l'eau, du jus, de fruits, tout ce que vous voulez, tout ce qui est boisson. Et ensuite, euh, on doit la transporter au niveau du centre. Parce que là, on va prendre en charge. Parce que l'anémie, on ne connaît pas le degré. Il faut le centre pour pouvoir mesurer l'état euh, du sang du malade. Ça veut dire que ces personnes sont plus vulnérables que des personnes normales atteintes d'anémie oh, Bien sûr, bien sûr, ce sont des sujets vraiment très vulnérables. Donc c'est pourquoi on ne peut pas les chouchouter, mais vraiment, ce sont des gens qu'il faut toujours prendre soin d'eux et être à leur service et toujours leur demander de prendre euh, leur, euh, leur traitement.